le forum du studio le forum le forum du studio le forum du le forum passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 20 radios partenaires qui émettent dans les 8 chefs-lieux de région du Niger, ainsi que dans les localités d'Arlit, de Kirozirine, Bouza, Tamaské, Mainesroa, Magaria, mayayi birnin Dorbel dorbel isai Chers auditeurs, aujourd'hui le forum est consacré à la problématique de l'accès au crédit, un sujet qui préoccupe les jeunes entrepreneurs ou tout porteur de projets face aux institutions financières. Avec nous ce soir pour développer ce thème, M. Kane Kadaure Habibou, il est le président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs ANJE. Kadaure Habibou Kane, euh, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec nous également Oumar Wata Garbadiko, responsable crédit à la Caisse mutuelle du Niger. Bonsoir. bonsoir, monsieur. Nous avons aussi avec nous Garbamal Nahiou, responsable programme Matassa à Asusu SA. Bonsoir. Bonsoir. Au cours de ce forum, nous tenterons de répondre à plusieurs questions qui sont euh, qui peut accéder au crédit, comment approcher les structures de financement, quelles sont les conditions d'accès au crédit, quel type de projet ou d'activité mérite des financement, pourquoi refuser de financer certains projets, quels sont les taux d'intérêt appliqués et les délais de remboursement, quelles sont les opportunités de financement qui s'offrent aux jeunes, quelles sont les difficultés de financement rencontrés par les jeunes entrepreneurs, mais aussi du côté des structures qui financent. Et nous terminerons en essayant de proposer des pistes à suivre pour aboutir à l'élaboration des projets réalistes qui méritent de lever des fonds pour leur concrétisation. Au Niger, l'accès aux prêts bancaires n'est pas chose aisée. Et même lorsqu'on arrive à en avoir, le taux d'intérêt pratiqué par les banques laisse une marge de bénéfice trop réduite pour les emprunteurs. En effet, les banques nigériennes détiennent le touriste record du taux d'intérêt les plus élevés de la zone UMOA. Chers invités, pour planter le décor, merci de nous présenter brièvement vos structures, les missions principales et les objectifs visés. Euh, je représente l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs, qui est une association qui regroupe plus de 200 jeunes entrepreneurs. Donc c'est une association de droit nigérien qui travaille pour euh, la défense des intérêts des jeunes entrepreneurs. Est-ce que votre association est très bien connue ici à Niamey et au Niger Bon, c'est une association qui a été mise en place euh, il y a de cela deux ans et demi, mais elle a évolué dans une léthargie. Bon, il a fallu fin 2016, le 17 décembre 2016, pour qu'un bureau définitif euh, soit mis en place et que, bon, là, nous sommes en train de travailler quand même avec des plans d'action qui vont nous permettre d'impacter positivement dans ce domaine. allez-y. Moi, je représente euh, l'Union Caisse Mutuelle du Niger et je vais vous faire un peu l'historique euh, de la Caisse Mutuelle. Elle a été créée en 2006 euh, sous forme d'un projet à Douti. Puis deux ans après, en 2008, elle a eu son agrément pour exercer dans le domaine de la, microfinance. Et dans ce fait, elle a, elle a comme actif cinq caisses, dont trois à Niamey et deux à l'intérieur du pays. Sous la coupe des trois à Niamey, on a six points de vente à Niamey et quatre à l'intérieur du pays. Nous sommes euh, sur la supervision avec euh, des, partenaires français, qui est, il y a le CICM, qui est le Centre international euh, du crédit mutuel, il y a le ministère des Affaires étrangères français, et aussi l'épargne sans frontières. Donc, c'est pourquoi et notre premier responsable est un Français au nom de Jean-François Marchand. Donc, nous exerçons dans la microfinance, nous offrons des produits et services vraiment accessibles à notre population vulnérable. Et tout ça dans ce sens pour euh, un peu accroître euh, le taux de bancarisation au Niger. Moi, je représente euh, ASUCSA, qui est un système financier décentralisé, n'est-ce pas, que vous connaissez tous. au sein de ASUCSA, donc, je coordonne un programme de financement des projets jeunes qu'on appelle Matassa. Le projet Matassa donc est logé dans le centre de financement des petites et moyennes entreprises, n'est-ce pas, qui se situe au, à Lazare, au quartier Lazare. Euh, c'est un centre qui a spécialement vocation ou qui a pour mission, n'est-ce pas, de financer et d'accompagner la structuration, n'est-ce pas, des petites et moyennes entreprises ici au Niger. Après cette euh, brève présentation, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Kane Kadaoura Habibou, vous êtes euh, le président de l'association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Décrivez-nous un peu comment vos membres, euh, les jeunes, accèdent-ils auprès et pour réaliser des affaires Merci bien. avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir accordé quand même l'opportunité de nous exprimer sur ce sujet qui nous tient à cœur. C'est un sujet capital pour nous parce que euh, la vie des entreprises que nous dirigeons en dépend. Parler des jeunes, et euh, des difficultés d'accès au crédit ici au Niger, nous permettra quand même de faire en sorte que la population, les acteurs économiques, le gouvernement, les plus hautes autorités de ce pays comprennent effectivement que ce milieu, c'est un milieu qui est particulièrement très difficile à comprendre parce que en tant que jeune entrepreneur, parce que nous nous parlons au nom des jeunes entrepreneurs. Quand vous décidez de mettre en place une activité, donc la création d'une entreprise, vous avez besoin d'un appui financier. Et l'appui financier, très souvent, quand on va suivre le cadre normal, ce n'est pas quelque chose qui doit venir de votre poche, c'est quelque chose qui doit venir des institutions, des établissements financiers existants donc les banques de la place et les institutions de microfinance. Ce qui est difficile pour les jeunes entrepreneurs, d'abord ici au Niger, c'est l'esprit même de l'entreprise, la culture de l'entreprise. C'est vrai qu'il ne faut pas jeter l'ensemble de la responsabilité au niveau des établissements financiers. C'est vrai qu'il est difficile d'accéder au crédit, mais il faut reconnaître également au niveau des jeunes qu'il y a quand même peu de motivation à vouloir entreprendre parce que c'est un pari risqué. Les établissements financiers ici au Niger, pour nous les jeunes entrepreneurs, ce sont des partenaires clés. Ça, il faut le reconnaître. Mais nos rapports ne sont pas toujours particulièrement euh, normaux ce que j'appelle euh, rapport normaux. Cela veut dire que approcher un établissement financier avec un dossier solvable, bancable, et accéder facilement au crédit. Parce qu'il suffit seulement de faire un tour euh, dans les banques pour comprendre que tout celui qui n'a pas quelque chose de solide avec lui, à savoir une garantie, il lui sera extrêmement possible de bénéficier. Une garantie, par exemple euh, si vous voulez accéder à un prêt, vous serez obligé d'hypothéquer votre bien immobilier. Donc, c'est ça qu'on appelle hypothèque c'est-à-dire euh, dans des pays où on travaille euh, sérieusement pour euh, permettre aux jeunes entrepreneurs d'exister, très souvent les garanties sont supprimées et on permet aux meilleurs projets, d'accord, bien réfléchis, d'accord, qui cadrent avec l'environnement économique, de pouvoir se développer, de pouvoir se créer. Mais ici, au Niger, dès que vous approchez un établissement financier, pour le financement d'un projet si vous voulez conséquemment investir afin de mettre en place votre entreprise ou bien vous cherchez un financement pour le renforcement de capacité de votre entreprise, il est très difficile de trouver quand même euh, une ici si vous n'avez pas des garanties. Et qui dit garantie dit euh, possession quand même euh, d'un capital, d'un bien immobilier, ce qui n'est pas évident chez chaque jeune entrepreneur. Parce qu'il faudrait d'abord créer de, la valeur, il faut créer de la richesse, il faut avoir une bonne assise économique pour penser à acquérir un bien immobilier très souvent, c'est ceux-là qui constituent un frein pour euh, les jeunes entrepreneurs que nous sommes. Ce pas les idées qui manquent, les idées sont là, les projets sont là. Mais bon, pour avoir un crédit d'investissement, il est extrêmement difficile. Et ce ne sont pas non plus également les établissements d'accompagnement qui manquent. Ils sont là et je pense bien que ensemble, on va essayer de dégager quand même euh, quelques vérités sur cet aspect afin, d'avoir les informations si ces informations ne sont pas <laughs> disponibles à notre niveau en tant que jeune entrepreneur. J'espère bien qu'on va trouver aujourd'hui la réponse euh, à tout ce qui constitue le goulot d'étranglement pour la bonne marche euh, des, jeunes entreprises. Monsieur le Président Kana Habibou, pourquoi les institutions bancaires là exigent des garanties vous savez, avant tout, hein, les institutions financières, c'est des entreprises. Et qui dit entreprise dit mobilisation des ressources quand même, euh, dit supporter des charges. Ce sont des entreprises commerciales qui sont là pour créer quelque chose quand même. Ils supportent des charges et c'est bien normal que ces entreprises-là mesurent les risques. Donc en mesurant les risques, c'est normal qu'elles soient euh, particulièrement attentionnées par rapport euh, au type de dossier qu'elles financent. Kanakadoura Habibou, que fait votre structure, l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, pour que ça change au profit de vos membres L'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs, c'est un cadre qui a été créé tout récemment parce que euh, vous n'êtes pas sans le savoir que, bon, euh, ça fait très longtemps quand même que l'entrepreneuriat jeune existe ici au Niger, mais il n'y avait pas quand même une structure digne de ce nom qui défend les intérêts des jeunes entrepreneurs, ce qui a permis quand même euh, à cette question-là de ne pas être élucidée comme il faut jusqu'à présent. Mais Dieu merci, avec les institutions d'appui d'accord aux PME qui sont créés, qui sont directement rattachés à la Chambre de commerce, avec également les efforts de la Chambre de commerce, les efforts du gouvernement à travers la création d'un ministère des jeunes entrepreneurs dédié rien qu'aux jeunes entrepreneurs. Je pense que les mesures sont en train d'être prises pour permettre quand même aux jeunes entrepreneurs d'accord, de de, de, de, pouvoir se retrouver dans ce qu'ils font. Donc, euh, cela étant dit, euh, nous, quand même, au sein de notre organisation, euh, c'est une organisation qui a été créée par euh, une vingtaine de jeunes entrepreneurs qui avaient estimé qu'effectivement, qu'il était grand temps de le faire parce que il y a beaucoup des instances, il y a beaucoup des niveaux de décision quand même où nous ne sommes pas représentés. Et donc quand on décide à la place de nous qui sommes jeunes entrepreneurs, c'est bien normal que les décisions ne soient pas particulièrement à notre faveur. Donc raison pour laquelle l'association a été créée. Et depuis la création de cette association, nous œuvrons d'abord pour euh, la reconnaissance de cette association au niveau des partenaires, au niveau des médias, au niveau des structures d'appui que je viens d'évoquer, au niveau de toutes les instances. Pour le moment, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et ce qui est évident, des questions de ce genre-là, surtout euh, des financements, d'accès au financement, ça nous tient particulièrement à cœur. On a élaboré un plan euh, d'action très ambitieux entre 2007 et 2018. Et à travers ce plan d'action très ambitieux, nous avions prévu quand même de rencontrer l'ensemble des partenaires qui sont censés quand même euh, aider les jeunes entrepreneurs à voir clair dans leur activité. Et je pense bien qu'à travers l'exécution de ce plan d'action, nous arriverons à, à, faire en sorte que l'entrepreneuriat jeune soit une réalité et que tout ce que nous avons comme programme soit réalisé avec l'appui de nos amis partenaires financiers. Omaru Wata Garbadiko, vous êtes le responsable crédit à la mutuelle d'épargne et de crédit du Niger. Si le rendement moyen des prêts sur la clientèle pour la zone UMOA est de 11,4%, d'après le rapport sur les perspectives économiques des États de l'UMOA publié par la BCAO en 2012, le taux d'intérêt atteint souvent 13,5% dans certaines banques au Niger. Est-ce que cette situation ne décourage pas la bancarisation et les investissements Je rectifie par rapport au taux. Actuellement, on est à 14%. Et dans les 14%, en fait, c'est un composant du taux d'intérêt plus frais de dossier et assurance. C'est ça qui fait le cumul des 14%. Bon, là, nous sommes en train de parler de la banque. Nous, c'est la SFD. Ça veut dire Les systèmes financiers décentralisés. Ça, c'est le taux de la banque. Le taux de la banque diffère avec ceux des sommes du microfinance. Donc, nous allons partir dans le cas de la banque. Et donc, à mon point de vue, nous sommes tous régis par la loi du finance, l'article 44. Donc, euh, le taux, avant d'être imposé, a été vu et étudié en bonne et due forme. Donc, vraiment, et c'est un taux qui est accessible D'autant plus qu'on a une population très vulnérable à Niamey. Ce n'est pas élevé. Et je veux un peu répondre à, la question de Kane Habibou Kadaouri. Par rapport aux jeunes entrepreneurs, et nous, nous sommes là pour vendre de l'argent. Si vraiment un dossier qui... Vendre de l'argent, ça veut dire, il faut expliquer. Donner du crédit et avoir quelque chose à la fin. Nos jeunes entrepreneurs au Niger, au fait, euh, ils n'ont pas la méthode d'approche en fait, ils ne viennent pas vers les banques. Ils restent dans leur coin, attendent la qu'il qui ait le bouche à horaire avant de venir sur nous. Ou bien au moment où ils ont un petit problème, c'est en ce moment qu'ils nous approchent. Vous voyez, non Et je dirais dans ce sens, on ne peut jamais accroître le taux de bancarisation. Et de ce fait, vous voyez un jeune entrepreneur qui a un projet d'investissement, il le dresse sans apport personnel c'est quasiment impossible que nous le finançons. Avant d'accéder à un crédit, il va falloir que toi, en tant que promoteur, tu aies un apport personnel. Et nous aussi, la banque, pour des mesures de risque, on est obligé de prendre des garde-fous, c'est-à-dire euh, de prendre des garanties. On ne peut pas donner un crédit sans garantie. Ça, c'est quasiment impossible. Et c'est là la grosse difficulté pour les jeunes entrepreneurs. Par rapport aux garanties, vous savez, les garanties sont de diverses formes. Et nous, par exemple, chez nous, mon entité, c'est arrivé à un nouveau seuil du montant qu'on exige des garanties. Les jeunes visent loin, demandent plus d'argent. C'est bien normal que nous aussi, en ce moment, nous demandons des garanties. Il y a une grille, il y a une, grille, il y a une limite où on n'exige pas de garantie. Là, Quelles sont, les limites de ces conditions Par exemple, nous, chez nous, c'est supérieur à 3 millions. On prend une garantie qui, dont il parle, une garantie matérielle, réelle. En dessous de ça, non. On, juste on en 20% du montant demandé. Maintenant, si la personne arrive à avoir les 20%, elle est tranquille, on peut le financer. Le jeune entrepreneur nous présente un dossier avec des indicateurs de risque bien assortis, des indicateurs provisionnels de rentabilité, mais je ne vois pas en quel sens nous, on ne peut pas le financer. Nous sommes là pour ça. Si le taux d'intérêt au niveau des banques est de 14%, chez vous, au niveau de la caisse mutuelle du Niger, c'est à combien vous, savez, et par rapport au taux d'intérêt, c'est que sur nous sommes compétitifs sur le marché et puis on est régi par la BCRO. Pour un truc, c'est que vraiment, je préfère que la personne se présente chez nous en ce moment. Nous, on va lui présenter le, taux d'intérêt en chiffres. compte tenu du secret personnel. Vous pouvez lui le dire maintenant Oui. Et pourquoi compte tenu du secret professionnel. Garba Malam Nahiou d'Asusu SA, le plus souvent, les banques et autres instituts de microfinance posent des conditions d'accès au crédit tellement dures au point qu'elles découragent les citoyens qui préfèrent recourir à des mécanismes traditionnels comme les tontines. Quelles sont les conditions d'accès au crédit à Asusu SA Ok, merci. je vais essayer de rectifier le nom, c'est Malam Abdou Nafiou. allez-y. Merci donc à mes autres prédécesseurs, n'est-ce pas, qui se sont intervenus par rapport à l'accès des jeunes au crédit. Je pense que toutes ces contraintes, tous ces obstacles qui sont évoqués ont été levés par Asusu SA. Asusu SA, n'est-ce pas, est la première institution à penser à ces problématiques, n'est-ce pas, qui limitent le financement des projets jeunes. À travers ce programme financement, n'est-ce pas, Matassa, qui est logé au niveau du centre de financement des petites et moyennes entreprises, Asusu a lever les, tous les obstacles, je dirais, n'est-ce pas, qui viennent dresser eh, contre le financement des projets jeunes. Ce, programme, n'est-ce pas, est un kit qui est composé de produits de services financiers et non financiers. Parce que nous sommes basés sur les études qui ont été menées sur tous les programmes jeunes au Niger et même dans le mois qui ont en principe, euh, bon, à ma connaissance, échoué presque tous ces programmes jeunes-là ont échoué. Donc nous avons analysé euh, tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Nous avons, et, nous avons constaté que ces jeunes-là n'ont jamais été accompagnés sur le plan financier, c'est-à-dire la formation, le coaching et l'appui technique. Avant que le jeune dépose même son plan d'affaires ou élabore son projet, il va recevoir chez nous d'abord la formation. Et la formation-là, elle est étalée sur cinq modules. Plan d'affaires, éducation financière, esprit d'entreprise et bien d'autres modules, n'est-ce pas, qui suscitent, n'est-ce pas, l'esprit d'entrepreneuriat à ces jeunes là Donc, après cette formation-là, le jeune sera à mesure de déposer son plan d'affaires. Il est à mesure d'élaborer et de déposer son plan d'affaires. Et pour l'élaboration du plan d'affaires, est-ce que c'est pratiqué euh, réellement sur le terrain chez vous à Asusu maintenant, aujourd'hui Pour vous avancer des chiffres, je suis à, 200 jeunes financés avec autour de 205 millions de financement en termes de volume de crédit décaissé. Donc ça, c'est du concret. Nous n'avons pas voulu trop médiatiser, n'est-ce pas, pour pouvoir capitaliser l'expérience sur cette initiative-là de Asus. Après, Asus a recruté, n'est-ce pas, des conseillers clientèles qui sont très formés, n'est-ce pas, pour accompagner ces gens là et les aider à élaborer leur plan d'affaires. Donc, après le dépôt des plans d'affaires, n'est-ce pas, le dossier le jeune sera convoqué, n'est-ce pas, pour aller faire les visites, l'entretien. ces, jeunes-là sont classés en deux catégories. Il y a les start-up, n'est-ce pas, ceux-là qui veulent démarrer. Ils n'ont rien, ils n'ont que leur idée. Il faut voir jusqu'à quel niveau Asus est parti prendre le risque à, cette, à ce segment, n'est-ce pas, de clientèle qui est très sensible, qui est la jeunesse. Nous les avons subdivisés en deux. Les start-up, ceux-là qui veulent démarrer, qui n'ont qu'une idée du projet, hein. ils n'ont même pas un plan d'affaires, ils n'ont qu'une idée du projet. On les aide à élaborer le projet et à les installer. Il y a les, ceux qui sont au démarrage, au développement, donc ceux qui ont déjà leur activité, et qui veulent le renforcement. Donc, ces deux vont déposer leur plan d'affaires et ces plans d'affaires seront analysés, n'est-ce pas, par les conseillers clientèle et ces dossiers seront instruits, passés en comité de crédit et financés. Maintenant, l'initiative, c'est que, à la différence de ce qui s'est passé chez les seniors, les, gros clients, n'est-ce pas Ça, c'est des, innovations, n'est-ce pas on, suit même le financement, l'exécution des projets, des dépenses chez les jeunes. Par exemple, ton projet fait un million, on essaie de voir, par exemple, quand vous êtes start-up, n'est-ce pas, quels sont les investissements que vous allez faire d'abord. Vous installez votre kiosque avec, si vous finissez l'installation ou l'aménagement du local, après vous allez acheter les machines, après les fonds de roulement. Donc, nous avons un plan, n'est-ce pas, de dépenses que les, les conseillers clientèles suivent avec ces jeunes-là pour exécuter ces projets-là. De façon résumée, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, d'éligibilité et d'accès au crédit, c'est d'abord être un, jeune âgé de, 18 à 35 ans, vous voyez donc le segment, donc l'intervalle essaie de, cadrer l'esprit, la définition même de la jeunesse, n'est-ce pas, ici au Niger, et d'accepter, n'est-ce pas, de suivre la formation, n'est-ce pas, accepter d'être client de Asus, ça veut dire que vous allez ouvrir, n'est-ce pas, le compte, et après, donc, euh, les conditions euh, ou bien les, les caractéristiques de crédit, n'est-ce pas, c'est de 50 000 à 2 millions, à 3 millions du moins, n'est-ce pas, l'intervalle, n'est-ce pas, de financement des projets, n'est-ce pas, et la durée va de 6 mois à 36 mois pour un projet jeune, n'est-ce pas, donc dont le remboursement, et, la plupart ce sont des AGR, nous les appelons activités génératrices de revenus, les remboursements sont généralement mensuels, n'est-ce pas, donc euh, ça va de 6 à 36 mois, n'est-ce pas, avec les remboursements mensuels, avec indifféré n'est-ce pas, si l'activité exige. Quand vous êtes start-up, quand vous voulez démarrer, il vous faut prévoir un différé. Donc ça veut dire un mois, deux mois ou trois mois avant de commencer à rembourser votre crédit. Et le taux d'intérêt est de 1,25, n'est-ce pas, je, le dis, donc est de 1,25, n'est-ce pas, dégressif. Ça veut dire que rapporté à l'année, vous allez trouver autour de 9%, n'est-ce pas, avec euh, la caution financière de 1 à 5 Ça veut dire que les jeunes, on a besoin d'un petit apport personnel, comme l'a dit mon ami, n'est-ce pas, de la n'est-ce pas, un petit apport personnel, donc qui est un intervalle de 1 à 5 donc euh, qui n'est qui n'est pas un obstacle en principe. Et en matière de garantie, nous, on n'a aucune garantie matérielle, n'est-ce pas, que nous, nous allons saisir en dehors de la confiance et de la formation là que nous avons donnée aux jeunes pour certaines, peut-être pour des raisons d'instabilité, on peut solliciter le cautionnement, n'est-ce pas, d'une tierce personne, par exemple son parent, son frère, qui va un peu le cautionner s'il est en déplacement. Par exemple, nos amis bijoutiers, n'est-ce pas, qui se déplacent dans les foires au Mali, en Burkina, donc on peut solliciter, n'est-ce pas, qu'un parent les cautionne. En dehors de ça, donc, euh, c'est tout ce que nous avons, n'est-ce pas, prévu comme caution. Il y a la, le nantissement sans dépossession du bien. Par exemple, on t'achète une machine à, coudre, n'est-ce pas Ou bien vous êtes euh, un, salon, n'est-ce pas, de coiffure, les, les, tondeuses qu'on a achetées. C'est ça, on dit, on, on, n'est-ce pas, sans de posséder. Donc, oh, c'était pris comme garantie, mais on vous laisse travailler avec. Donc, voilà, en réalité, les quelques caractéristiques de ce crédit, n'est-ce pas, quand vous rentrez au fond, ça n'empêche rien à ces jeunes, n'est-ce pas. Donc, depuis qu'on a lancé, maintenant, on a l'afflux, n'est-ce pas, des jeunes. Chaque semaine que nous formons, nous avons aussi un objectif de jeunes à toucher, à former à raison de 25 par semaine. Nous sommes à plus de 1500 jeunes formés sur ce projet-là et nous sommes à autour de 200 formés. Abdou Malam Nahiou, comment est-ce que les clients trouvent-ils euh, toutes ces conditions-là Les jeunes ont beaucoup apprécié et au début, nous prospectons ces jeunes nous-mêmes. Chaque CC, chaque conseiller clientèle a une zone qu'il va parcourir pour aller prospecter les jeunes. Et après cinq mois de démarrage, on a cessé même l'activité de prospection. Les jeunes viennent d'eux-mêmes. Tout celui qui bénéficie, après le premier financement, n'est-ce pas, l'information passe de bouche à oreille, n'est-ce pas, les jeunes sont informés et c'est l'afflux. Maintenant, chaque semaine, nous enregistrons les jeunes sans nous déplacer nous-mêmes. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, si moi je, je, veux créer ma propre entreprise, est-ce que je peux avoir accès à tous euh, ces, ces bénéfices-là Oui, c'est possible, faut l'essayer. Il suffit que vous vous sitiez dans les conditions qu'on a, qu'on a dit, donc euh, être âgé de, 18 à 35 ans, n'est-ce pas, et que vous acceptez, n'est-ce pas, de, de, suivre la formation et d'être un client à Et, pour euh, ceux qui ont dépassé l'âge limite de 35 ans euh, Oui, c'est vrai, nous recevons des jeunes parce qu'au Niger, entre griffes jusqu'à 40 ans, hein, on est jeune. Donc, ceux-là, nous les orientons vers les autres produits des ASUS qui ne sont pas spécialement des produits destinés aux jeunes. Parce que ça, c'est une initiative, c'est des produits euh, spéciaux, n'est-ce pas Donc, euh, c'est bien balisé. Mais quand vous dépassez l'âge, nous vous orientons vers les autres produits de Asus qui peuvent vous, intéresser. Il y a d'autres produits, euh, comme elle l'a dit, n'est-ce pas, plafonnés. Donc, ce seront le plafond qu'on exige la garantie. Umaru Wata Garbadiko, le Niger est l'un des pays où le taux de bancarisation est le plus faible de la sous-région, soit 3% euh, contre une moyenne de 6% pour la zone UMOA en 2012. Qu'est-ce qui explique euh, le faible taux de bancarisation au Niger selon vous Actuellement, nous sommes à un seuil de taux de bancarisation de 5%. 5%, c'est encore euh, nettement inférieur aux normes ah, souhaitées. Le fait le taux n'accroît pas à la norme, l'objectif qu'on avait souhaité, on n'a pas atteint ça du fait que pourquoi Vous savez, la population nigérienne est un peu réticente. Du fait que nos confrères ont disparu, vous voyez, tout cela oblige la population nigérienne à ne pas avoir un service financier, c'est-à-dire à travailler avec euh, nous, les banques. Et je dirais que la disparition à 110% est due par les acteurs économiques le risque est élevé dans nos, dans nos structures. On enregistre un cas d'impayé énorme. Vous voyez Bon, je ne peux pas cacher aussi la gestion administrative, mais ça, ça je peux dire, elle est minime. Vous voyez Donc tout ça vraiment fait partie des points qui nous obligent à avoir ce taux et qui n'est pas de la norme de l'humour quels sont les efforts que la Caisse euh, mutuelle du Niger est en train de faire pour euh, que euh, les partenaires, les clients aient davantage confiance aux produits proposés par la Caisse Pour cela, nous, actuellement, on a recruté des experts, c'est-à-dire des, commerciaux. Leur tâche, c'est d'aller chercher la clientèle, surtout les jeunes. Leur but, c'est d'avoir des nouveaux adhérents. Et dans la procédure, nous, on a simplifié l'accès au crédit que tu sois personne particulière ou personne morale, l'ouverture est à 4000 francs. Et vraiment, je dirais que l'ouverture est accessible à tout. Et les 4000 aussi, dès que tu ouvres à l'instant, tu adhères, tu as une part sociale. Nous, chez nous, c'est le principe de mutualisme. Automatiquement, tu es sociétaire. Euh, les, frais de tenue de compte et autres Les frais de tenue de compte, c'est 1000 francs. 1000 francs le mois pour chaque compte, qu'elle soit particulière ou personne morale. Et les autres produits pour les produits, on a plusieurs sortes de produits. On a les DAT, qui est le dépôt à terme. Vous placez, vous faites un placement de fonds à une date déterminée. Arrivé à terme, vous obtenez votre argent, automatiquement c'est renuméré. On a les, PEP, e les produits d'épargne et projets, qui a les mêmes caractéristiques que les DAT, mais... Les DAT, ça veut dire Dépôt à terme. Vous Et les PEP, e c'est les plans épargne-projet. Elle a la même caractéristique que les DAT, mais là, c'est en fonction de votre capacité financière. Et le ravitaillement est mensuel. Vous Et les PEP sont sévisés, soit vous avez les PEP sociales, scolarité, plan mariage, social, tout, tout ce qui est social, qui rentre dans le cadre du social. En dehors du PEP, on a le compte courant qui est destiné aux, salariés et les retraités. Et le grand, le grand produit, c'est le crédit. Comme euh, Nafu l'a dit, le crédit se fait sous deux pôles on a les crédits qui sont à caractère de remboursement périodique, donc à, échéance. échéance mensuelle dont la traite est amortissable. Et le deuxième pôle, c'est le crédit à caractère infini. Le remboursement se fait à usage unique, à, un seul remboursement. Dans le crédit, il y, a, plusieurs sortes de crédits. Il y a les crédits d'investissement immobilier, les crédits pour les jeunes entrepreneurs, les crédits équipement social et pour l'agriculture. Omar Garbadiko, comment est-ce que vos clients apprécient euh, ces produits oui, pour la possession de produits, vraiment, vu l'adhésion la, de notre, de notre clientèle, notre portefeuille sociétarial, et vraiment, je peux dire qu'ils sont satisfaits de notre produit. Euh, actuellement, comme l'a dit notre, mon professeur Nafiou, on n'est pas obligé de sortir. Les clients viennent d'elles-mêmes parce qu'ils sont satisfaits de tous nos services. Kane Habib, est-ce que euh, ces deux points de vue vous suscitent un commentaire Ah, forcément ces deux points de vue me suscitent euh, des commentaires. Pourquoi Parce que euh, j'ai relevé quand même une bipolarisation des points de vue et des pratiques au sein des institutions de, microfinance au Niger, à savoir Crédit Mutuel et Assoso. Monsieur Dico du Crédit Mutuel nous a dressé vraiment un tableau sombre des relations existantes entre les jeunes entrepreneurs et son institution. Par contre, Monsieur Nafiou il nous a adressé vraiment un tableau d'espoir qui nous permet de croire qu'il y a effectivement des institutions de microfinance qui ont adopté des programmes de nature à accompagner de manière très efficace les jeunes entrepreneurs. Pourquoi je dis cela Parce qu'à travers son discours, il a fait comprendre que son institution forme des jeunes entrepreneurs. Elle les accompagne à mettre en place des business plans, les accompagne à mettre en place leur entreprise et puis il a noté également qu'ils accompagnent les entreprises déjà existantes. C'est une très bonne chose. Mais je pense qu'à travers son discours, il a évoqué quelque chose qui ne nous arrange pas en tant que jeunes entrepreneurs. Parce que si des initiatives phares existent dans des structures d'accompagnement des jeunes entrepreneurs, il est extrêmement important d'approcher les jeunes entrepreneurs. Et je pense qu'aujourd'hui, Ici au Niger, l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs est le premier partenaire dans ce domaine. Donc il y a un problème de communication qui existe. Nous souhaiterions quand même, avec le temps, s'il y a des initiatives pareilles, que les jeunes entrepreneurs soient approchés, soient informés pour qu'ils puissent bénéficier de ces avantages. Euh, dans son discours, il a parlé d'un financement allant de 50 000 à 3 millions de francs CFA. C'est déjà très encourageant. Mais nous, nous trouvons ça euh, particulièrement insuffisant parce que, en tant que jeune entrepreneur, nous, quand on parle de jeunes entrepreneurs, nous voyons des entreprises des grands projets structurants, quoi, des entreprises à grand investissement. C'est-à-dire vous approchez une banque avec un dossier bien ficelé, elle vous accompagne à hauteur de 200-300 millions pour que votre entreprise soit une entreprise qui est réellement compétitive ici au Niger, réellement compétitive dans la sous-région, pourquoi même pas à l'international. C'est ça notre problème. Si vous regardez le paysage économique ici au Niger, Très souvent, nos entreprises, leur activité se résume au niveau national seulement. Quand il s'agit des grands marchés, nous n'avons pas l'expérience. C'est des entreprises, d'accord, venant des pays voisins qui viennent ici rafler les marchés parce que nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas la méthode, nous n'avons pas la pratique. Et donc, finalement, même les marchés qui sont exécutés ici au Niger, ils sont euh, ramassés par des grandes entreprises. Je reviendrai au discours euh, de M. Diko à propos des jeunes entrepreneurs. Il est jeune, je pense bien qu'il doit quand même euh, euh, comprendre les jeunes entrepreneurs. Il a fait cas euh, du manque d'approche des jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire les jeunes entrepreneurs, il a dit qu'ils n'ont pas de méthode d'approche, ils ne savent pas comment les approcher. C'est normal. C'est-à-dire quelqu'un qui est outillé seulement avec ce qu'il a appris à l'école, qu'il veut quand même mettre cela en application à travers la création d'une entreprise, il n'a pas quand même la maîtrise des techniques euh, de gestion, il n'a pas la maîtrise des techniques d'approche, il n'a non plus la maîtrise des techniques, d'accord, bancaires. Donc c'est bien normal que vous les compreniez à travers quand même euh, ce manque d'habileté euh, en termes d'approche. Et je pense que ce n'est pas évident. Cela même parce que nous, quand même, à travers notre association, je pense qu'il y a plus d'ingénieurs, des docteurs qui sont porteurs des, des, grands projets d'entreprise et qui essayent. je pense bien qu'il sera extrêmement difficile de reprocher à un ingénieur ou à un docteur, quand même, de manquer des méthodes d'approche. Ce qui est une triste réalité dans les banques au moins, eux, les jeunes entrepreneurs, ils font l'effort d'aller avec une mauvaise méthode d'approche. Mais les entrepreneurs seniors qui existent ici au Niger, eux, ils ne se déplacent même pas pour aller dans des banques. Ils ont des clients, ça je vous le certifie, qui ne connaissent même pas les couloirs de leur bureau. Ils sont cloîtrés dans leur bureau, d'accord avec des entreprises, <coughs> d'accord, des grandes entreprises qui brassent des milliards, qui sont, qui sont instituées en établissement, même pas en société. D'accord Donc, et souvent, c'est eux les banquiers qui se déplacent, ils quittent leur bureau pour aller trouver ces, entrepreneurs seniors-là qui ont déjà de l'argent parce que la banque cherche ceux qui ont de l'argent. Et la banque ne cherche pas ceux qui n'ont pas l'argent. Et les jeunes entrepreneurs, nous, à notre niveau, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, mais on a de très belles idées. Mais il faudrait regarder très simplement toutes ces grandes entreprises aujourd'hui qui constituent, euh, qui sont derrière ces grands réseaux sociaux. Ce sont des entreprises quand même jeunes d'accord, qui ont commencé avec beaucoup de difficultés auxquelles on n'avait pas cru. Mais à force de faire, à force de croire en ce qu'ils font, ces jeunes-là, ils ont fini par quand même mettre en place ces structures-là et ces structures marchent. Mais ici au Niger, on ne croit pas particulièrement aux jeunes entrepreneurs. D'accord On ne croit pas particulièrement aux jeunes entrepreneurs. Le problème se, se pose où Il se pose au niveau 2 il a parlé de cela. Ils sont nombreux les jeunes Nigériens qui ont des initiatives, mais qui ne trouvent pas euh, de facilité d'accès au financement. Euh, selon vous, Kane euh, Habibou, vous êtes le président de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Est-ce que cela n'est pas un frein au développement socio-économique de ce pays Mais tous les pays qui se sont développés dans ce monde-là, ce sont des pays qui se sont appuyés sur des entreprises privées il faut d'abord croire au secteur privé. Il faut faire en sorte que ce secteur soit porteur, soit performant, parce que c'est de là-bas où on puise de la richesse venant de partout, pas même ici au Niger. Une vraie entreprise qui se met en place est capable d'aller ici au Burkina chercher de l'argent pour le Niger. Donc, il faut nécessairement croire, d'accord, aux jeunes entreprises, il faut croire au secteur économique privé pour que le développement se porte mieux au Niger. Omarou Garbatiko, euh, vous venez là euh, d'écouter le cri des cœurs euh, de l'Association nigérienne des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter eh Oui, bien sûr. Mon cher Habibou, je l'ai écouté. Il n'arrive pas à faire l'annonce entre une banque et SFD. SFD? SFD nous, nous sommes les petits fers aux banques, tous terre à terre. Et nous, nous ne pouvons pas aller au-delà de 200 millions dont tu Voyez, non Nous finançons les petites et moyennes entreprises, par, par exemple, moi, ma caisse mutuelle ne peut aller au-delà de 15 millions. Vous voyez Et c'est pour cela, dans mon intervention au début, j'avais dit que le jeune promoteur nigérien, il vise loin. Il vise sincèrement, quoi. Et vous voyez Mais lui qui dit 200 millions, 800 millions, Habib, nous, tu penses qu'on peut le financer sans garantie hmm. Donc, c'est pour ça, un peu, je veux dire qu'ils vont un peu devenir un peu sur terre, quoi, vraiment. Et c'est pas la banque, tu veux pas. Non, il faut être ambitieux quand même, c'est très important. Il faut être ambitieux, il faut porter des grands. Ah, ah, ah, vous, aurez la parole hein, tout à l'heure, vous aurez la parole. Allez-y, et, donc, euh, vraiment, c'est dans ce sens. Nous, nous sommes, nous sommes prêts vraiment à les aider, sincèrement. Nous sommes prêts à les aider et il a parlé des commerciaux qui partent voir les jeunes promoteurs. Oui, c'est vrai, parce que tant que le client. il, a dit ce pas les jeunes euh, euh, euh, entrepreneurs, mais les, jeunes opérateurs économiques. Oui, les jeunes opérateurs économiques. Là, c'est quoi C'est pour les fidéliser. Ça, c'est un principe de fidélisation. C'est une procédure qui est là à l'intérieur de la banque. C'est bien normal qu'on les fidélise parce que <laughs> on est là pour sécuriser leurs fonds. Vous voyez, Mais quelqu'un qui, qui, ne vient pas vers nous, comment est-ce que nous, nous pouvons aller le démarcher et sans tenir compte de ça même, on a des, on a des commerciaux, des, des, chargés de clientèle qui font, qui font le boulot pour ça. Abdou rapidement. D'abord, je vais répondre à ce qu'elle a évoqué, n'est-ce pas, par rapport au, fait que nous, on ne part pas peut-être vers les, les, jeunes. Et je pense que nous sommes en partenariat avec euh, une dizaine d'associations des jeunes, que ce soit des jeunes promoteurs étudiants et les jeunes qui sont déjà en activité et nous les accompagnons tant en finançant leurs projets que dans les foires. Tous les foires qui se tiennent, les jeunes nest pas, nous, nous, adressent des requêtes, n'est-ce pas, des financements pour les accompagner à participer au phare et nous les finançons. Et par rapport au, rapidement, par rapport au, à l'ambition, n'est-ce pas, de ces jeunes, ça fait partie des principales remarques que nous, nous avons faites dans la capitalisation d'expérience dans ces projets. Un, les jeunes sont trop ambitieux dans le coût des projets qui exorbitant et ils sont trop pressés. Et nous, c'est sur ça qu'on travaille. Les facilités d'accès au crédit et les taux d'intérêt attractifs contribueront à améliorer de façon significative euh, le taux de bancarisation au Niger, un vœu de la BCAO qui se fixe des objectifs à atteindre un meilleur taux de bancarisation dans les prochaines années. Beaucoup de jeunes Nigériens qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, les rêves de prospérer euh, dans les affaires deviennent un horizon inaccessible euh, que faire rapidement Bon, je pense qu'il faut prendre des mesures et cela très rapidement. C'est-à-dire comment prendre des mesures, c'est-à-dire créer le cadre d'échange entre les gens entrepreneurs, les établissements bancaires, d'accord, et également euh, les partenaires techniques et financiers, y compris également euh, le gouvernement du Niger. Parce qu'il faudrait quand même créer ce cadre-là. Et je pense bien que l'accès au financement a commencé à trouver des solutions ici au Niger avec l'initiative de la maison de l'entreprise ils ont sélectionné plus de 300 dossiers pour accompagner des jeunes entrepreneurs. Vous voyez, cela est jusqu'à hauteur de 20 millions. Donc c'est pour ça que moi, je parlais tout à l'heure des projets structurants, des grandes entreprises. Je pense qu'il est très important d'être ambitieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait en sorte que nous sommes à ce niveau de développement ici au Niger C'est le manque d'ambition. Il faut être ambitieux et il nous faut quand même des établissements bancaires de la place qui accompagnent ces ambitions-là et non les infirmer. C'est à, à, la recherche de cela que nous sommes en tant que jeunes entrepreneurs. Parce que nous, notre notion de jeune entrepreneur n'est pas celle qui a existé toujours au Niger. Hein, des jeunes entrepreneurs qui ne sont pas dans un cadre formel, qui ne sont pas très bien organisés. Nous, nous voyons des entreprises de grande envergure, des entreprises qui sont capables de porter le nom du Niger ailleurs. C'est ce que nous voyons. Et donc, c'est vrai qu'on peut commencer tout petit et grandir et que quelle que soit la nature du projet. Ce n'est pas l'enveloppe qu'il faudrait voir, il faut beaucoup plus voir la solvabilité du projet. Il faut voir la qualité du montage du projet, la rentabilité du projet. C'est ça qu'il faut voir et non l'enveloppe. Normalement, une institution de microfinance ou une banque, malheureusement, il n'y a pas un, représentant des banques qui est ici, c'est des institutions de microfinance. Sinon, peut-être lui, il allait nous donner des, des, des, des réponses par rapport à ses préoccupations. Il est très important à ce qu'ils comprennent que ce qu'ils doivent gagner à travers des opérations, des grandes mises en place des prêts pour les jeunes entrepreneurs, c'est-à-dire à 200, 300 millions, ça va également avec ce qu'ils vont gagner eux, parce que sur les petits dossiers, ils ne gagnent pas grand-chose. Restons ambitieux, soyons ambitieux, et ça ira pour les banques et pour les jeunes entrepreneurs ici au Niger. Omar Ouata Garbadiko, vous êtes le responsable crédit au niveau de la Caisse mutuelle du Niger. Aujourd'hui, comment sont vos relations avec la clientèle Leur nombre augmente-t-il Quelles sont leurs doléances auprès de vos services la relation avec euh, ma clientèle, vraiment, elle est palpable. Le fait que actuellement moi j'ai un encours de 1 milliard 400 millions, vous voyez, et, chaque mois je, peux produire jusqu'à hauteur de 400 millions mensuels. Et je dirais que vraiment là ils sont satisfaits de, mes produits que je les offre. Et vraiment je peux dire qu'ils sont satisfaits. Et par rapport aux jeunes entrepreneurs, Monsieur Habibou, il n'y a pas de problème. Vous dressez vos, dossier, ficelez ça et vous amenez ça. Il n'y a pas de problème. On va vous gérer. Abdou Malam Nafiou ah, oui. SA. Quelles sont les doléances de vos clients Je pense que Asusu n'a pas atteint cette taille-là, n'est-ce pas, par hasard. C'est la satisfaction, le niveau de satisfaction, n'est-ce pas, de ses clients qui, ont, a fait, n'est-ce pas, de Asusu la plus grande institution de microfinance et dans sa forme, n'est-ce pas, SA de l'IEMOA. Donc nous sommes la plus représentée au Niger. Nous sommes dans toutes les régions, dans toutes les zones rurales, n'est-ce pas, du Niger. Nous sommes partis installer nos caisses pour aller servir les populations rurales. Je pense que c'est seul qui a fait cette initiative-là, cet exploit-là. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec Kane et Kadaure Habibou président de l'association nigérienne euh, des jeunes entrepreneurs. Nous étions également avec euh, Oumor Ouata Garbadjiko, responsable crédit à la Caisse mutuelle du Niger. Nous étions également avec euh, Abdou Malam Nafiou, responsable programme Matassa à Asusu SA. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec une autre thématique. Merci et au revoir.